juridique des guichets uniques portuaires. Et l'autre euh, euh, thématique qui devait être abordée, c'était euh, d'abord la résilience et la nécessité d'une digitalisation accrue. Donc, pour permettre un peu au port d'être encore, en tout cas, beaucoup plus fluide dans les échanges d'informations. Et c'était deux questions qui ont été abordées lors des réunions de ces comités techniques. Et à l'issue de ces réunions, euh, des recommandations fortes ont été faites pour permettre à l'organisation d'être encore plus performante, mais également de pouvoir euh, apporter les réponses euh, adéquates aux, nombreuses, nombreux défis qui interpellent les ports africains. notamment, le directeur général y est revenu largement en parlant de la faiblesse du commerce intra-africain qui est une, euh, une obligation de, pour les ports de travailler à le renforcer euh, pour euh, en tout cas hausser la place de l'Afrique dans les échanges internationaux. La question de la sécurité est toujours prégnante dans les ports. Ça, nous, le savons très bien. D'ailleurs, la raison pour laquelle ce n'était pas l'objet des réunions des comités techniques, parce que nous avons un autre comité technique qui est le comité technique euh, exploitation, euh, sécurité et environnement, donc, euh, qui est un comité qui s'interpelle sur les questions de sécurité. Et donc, ce comité-là doit se réunir prochainement à Abidjan et pourra aborder, comme c'est de sa responsabilité, examiner les questions de sécurité et de sûreté au niveau. de ñetti fan la yoo xamante ni ci euh, euh, jàppale euh, port Dakar ci directeur général monsieur Aboubacar Bakar Bèye la fii ñaari comité technique qui association association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

wax ni euh, recommandation bu mag la euh, ci euh, convention FAL convention FAL convention la Convention xamanteni ni OMI organisation maritime internationale moko saytu taxawal ko ngir fexé ba port yi fexé ba dugg ci walu guichet unique portuaire mu nek lo xamanteni lu ñu soxla la pour que euh, weccoo bi wara am ci diggante acteur portuaire yi ñi nga xam ni dañuy liggéey ci port yi weccoo bi mëna a gaaw gën a mën a rafet gën a bañ a euh, bu gëna a bëri donc lolu ci benn ci euh, problématique yi nga xamante ni waxtaanee nañ ko ñaareelu problématique bi moy naka la ñu mën a fexe ba walu digitalisation ñu dëppee ko ak ni ñi liggéey ci port yi

sen euh, euh, euh, autonomie ci walu nañuy ñuy ak nañuy gérer sen ressources humaines dafa nek lo xamanteni amna lu ci Covid bi indi lo xamanteni ni port yu bëri dañu liggéey ci wañi sen dépendance donc yok sen résilience par rapport ak walu digitalisation donc lolu aussi bokon na ci question yi nga xamanteni mom lañu la ci ñetti fan yi ci ñaari comité yi fi dajé won